Je suis le directeur des travaux euh, du tronçon embranchement embranchement Les caractéristiques de ce goudron, effectivement, on a 7 mètres de, de chaussée roulable qui est fait en bébé, béton bitumineux. Maintenant, ensuite, vous avez des accotements de 1m50 1m50 de part et d'autre. C'était une route, de, une route de 6 mètres. On a élargi et maintenant on l'a ramené maintenant à 10 mètres 20. M qui fait maintenant, il y a des endroits où vous avez une hauteur de, de 1m50, de 1 m comme Ramblé, compte tenu maintenant de la configuration du terrain. D'abord, dans un premier temps, on a fait la couche de fondation. Après la couche de fondation, maintenant, on a posé la couche de base. Et la couche de base, il y a un traitement qui est spécial euh, par rapport euh, à cette plateforme-là. Parce qu'il y a 2% du ciment qu'on met, et ce qui nous donne sur, 100 euh, mètres, on utilise, euh, on utilise 20, euh, tonnes de ciment. Il y a une, une machine qui fait ce mélange-là. Et maintenant, après, on compacte pour maintenant atteindre ce niveau. Vous voyez, maintenant, ce niveau-là, maintenant, c'est la plateforme finie en couche de base. on est à 71% de, réalisation. Maintenant, par rapport au bébé que, vous avez vu, on a 37 km qui sont déjà finis. Le chantier, en tout cas, nous, nous avons projeté ça, en tout cas, la fin des travaux en fin avril. Fin avril, nous pensons que nous allons être au, rendez-vous. Dans ce, cadre de travaux, en tout cas, il y a les travaux connaissent qui sont prévus. Et, par exemple, euh, il y a un, CEG qu'on a clôturé. on a construit euh, six logements plus deux blocs administratifs qui vont servir à, on va retrocéder ces, infrastructures à la mairie après avoir fini les travaux. Toujours dans le cadre des travaux connexes, on a aussi des, on a réalisé trois forages. Et tout ça là, tous les trois seront équipés de la même manière. Et après les travaux, on retrocède ça à la population.